liggéey bi nag euh, am nañ ci satisfaction am nañ ci ay inquiétude ndax satisfaction yi gis nañ ko ci yenn école yi nga xamné né ne visité nañ ko comme Yène comme euh, Sébikotane mais am na yenn yoo xam ne vraiment am nañ ci inquiétude ci li nga xamné né moy manquement yi euh, loolu yëpp nak jël nañ ci note té yaakar nañu su yàggul dinañ def évaluation yi pour que ñu mëna xol naka lañu trouver solution ci problème yi nga xamné né ne posé nañu

avec l'association des parents d'élèves nous avons cette Nous avons en charge vraiment réhabilitation lycée Abdoulaye Sadji à lycée K. Marchand avons fait ça. Nous au niveau du conseil départemental nous avons fait comme moyen euh, sur l'ensemble des établissements jege à peu près 73 millions Nous avons aussi fait nañu gën enveloppes en fonction de ce que nous avons comme fonds de concours parce que gis nañ la éducation santé préoccupation

Dès que nous votons sur le budget au mois de décembre, notre priorité de commander 1000 tables bancs, mais accompagner les aussi ces matières de euh, matériel de reprographie. Nous les élèves ont les proviseurs nous Nous euh, tay di aussi di interpeller partenaires pour que nous puissions duggal sen vraiment dans le système éducatif sénégalais